forum du studio le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou 18h passé de 16 minutes à Niamey, les programmes du studio Kalangou se poursuivent. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro du Forum du Studio Kalangou. Les émissions du Studio Kalangou que vous recevez grâce à une vingtaine de radios partenaires un peu partout à travers les huit régions du Niger. Ce soir, nous abordons ce forum d'abord avec le programme Niamenyala, avec son tout nouveau plan pour une meilleure gestion des déchets, des déchets dans la ville de Niamey. Ensuite, le président de la section MNTD Nassara de Maradi et vice-président du parti Ali Sabou qui apprécie la situation sociopolitique du Niger puis la mission ministérielle de suivi et de, préévaluation de pré-évaluation de la campagne agro-silvopastorale, un mot de la situation nutritionnelle au Niger. Et enfin, nous allons revenir sur le décès de l'ex-combattant Barka Wardougou. Plusieurs membres du gouvernement sillonnent les huit régions du Niger dans le cadre d'une mission de suivi et pré-évaluation de la campagne agro-silvo-pastorale. Selon le secrétaire général du syndicat national des agents de l'agriculture, Manou Baguet, cette mission est très, euh, cette mission est une très bonne chose pour le pays, mais tout de même euh, déplore le fait que euh, des ministres directement concernés ne fassent pas partie de cette mission. Les missions qui sont actuellement en cours, les missions ministérielles sont les missions de préévaluation de la campagne agricole. C'est surtout l'agriculture donc qui est mise en avant prioritairement, mais c'est vrai qu'il y a d'autres choses. Alors alors, les missions de prévaluation de la campagne agricole, leur importance, c'est quoi Ce que à partir de mi-juillet, on sait que tout semis éventuel est un fait en retard qui a très peu de chances de réussir. Voilà pourquoi donc à partir de mi-juillet vers fin juillet, le gouvernement a l'obligation normalement de faire le tour de tout le pays pour voir au niveau de la zone agricole, à ce qui concerne l'installation des cultures, à ce qui concerne la situation du pâturage, pour voir où est-ce que la saison est véritablement installée et où est-ce qu'il y a des insuffisances pour que éventuellement on puisse envisager des corrections en termes de rattrapage parce qu'on est sûr que là où il n'y a pas eu de semis ou là où les gens ont semé vraiment trop tard ou là où les sécheresses éventuelles, les poches de sécheresses ou des inondations ont fait des dégâts, il va falloir programmer en tout cas un rattrapage pour soutenir les populations vulnérables des zones concernées. Voilà un peu l'idée. C'est surtout de s'assurer que cette campagne, elle s'est installée, à quel taux, quel est en fait le niveau de progression général des cultures si ça présage une bonne campagne agricole, si les pluies sont régulières oui ou non. Donc ce sont tous ces éléments-là que les ministres sont censés avoir et surtout profiter pour discuter aussi avec la population locale et les techniciens sur le terrain des conditions de travail pour voir réellement si tout est au beau fixe pour avoir une bonne campagne agricole. Monsieur le secrétaire général, est-ce que ces missions ont leurs limites oui, les limites de ces missions, ce que vous avez vu aujourd'hui, c'est des ministres qui n'ont rien à voir avec le secteur, qui font certaines régions. Au lieu de laisser les ministres en charge du secteur, le ministre en charge de l'élevage, de l'agriculture, à la limite de l'environnement, pour qu'ils fassent le tour, parce que c'est eux qui sont les ministres concernés, pour discuter avec leurs techniciens, pour discuter avec les organisations des producteurs et les populations locales des conditions de mise en œuvre de cette campagne agricole relever les insuffisances pour voir là où on peut appuyer rapidement, là où on peut envisager des choses aussi pour la fin de la saison. Malheureusement, c'est les ministres de tous bords qui vont et souvent ils n'ont pas toujours la technicité avec eux parce que on est obligé de repartir les techniciens du ministère entre les différents ministres, les différentes délégations. Et là, vous imaginez que ces différentes spécialités qui sont reparties, là où il y a un spécialiste en protection des végétaux, certainement il n'y a pas un spécialiste en, en agricole ou il n'y a pas un autre spécialiste en planification. Voilà un peu la difficulté. Il aurait fallu qu'on laisse les ministres à charge du secteur composer une équipe complète, pluridisciplinaire, faire le tour et discuter vraiment à loin à large avec l'ensemble des parties prenantes pour voir en tout cas euh, la situation actuelle de la campagne et les corrections qui sont envisageables. Monsieur le sujet, vous êtes aussi le secrétaire général du syndicat national des agents de l'agriculture du Niger. Quelles sont vos dernières nouvelles en ce qui concerne la campagne agricole au Niger Globalement, il faut dire que la campagne agricole s'était bien installée, en tout cas euh, dans le temps, dans la limite du euh, le 15 juillet que j'ai dit, là, la, plus grande majorité, à, l'exception de quelques poches, avait déjà semé. Il se trouve qu'il y a des poches de sécheresse. Il se trouve également qu'il y a des dégâts des sauterelles dans la zone septentrionale, notamment le nord de la région de Tilaberi, le, euh, un peu l'extrême nord de la région de Tawa et même un peu du Zender et d'Ifa. Vous savez, il y a une bande, la bande à la lisière du Sahara là, ah, la limite Sahel-Sahara, en tout cas, vous avez souvent, pour la plupart, des zones de pâturage, mais il y, a quand même des champs aussi. Il y a des sauterelles aussi qui sont en train de faire des dégâts. Des traitements aériens sont actuellement en cours au niveau des, agents de la protection des végétaux. Donc, c'est pour dire que globalement, la campagne s'était bien installée. En tout cas, elle présageait, comme j'ai eu à le dire à certains de vos collègues, que c'est une campagne qui présageait en tout cas une bonne récolte. On l'espère. Et surtout que les prévisions météorologiques, en tout cas, les services chargés des prévisions, ont prévu une campagne euh, moyenne, moyenne, euh, excédentaire, en train même de la régularité des et surtout de la durée des saisons. C'est ça qu'on compte beaucoup. Qu'est-ce qu'un producteur peut faire à l'heure actuelle Bon, les producteurs, ce qu'ils peuvent faire, c'est surtout la surveillance de ces cultures, s'assurer que tous les travaux d'entretien soient faits dans le délai et assurer la surveillance pour éviter que les ennemis des cultures ne fassent des dégâts. Et c'est surtout ça, et alerter en cas de nécessité. Et surtout, il faut quand même faire l'entretien nécessaire, notamment l'apport des engrais. Vous savez, quand il y a un excès de pluie, il faut souvent faire un apport annuel pour ce qui est des céréales, et ça relève du travail des producteurs. Et quand il y a des ennemis des cultures, il faut signaler, au besoin, il faut faire les traitements nécessaires pour arrêter. Il ne faut pas attendre que les dégâts soient faits pour venir se lamenter. Il faut être vigilant. Qu'en est-il de la part euh, du gouvernement non, la part du gouvernement, c'est de s'assurer que les entrants sont disponibles partout. C'est de s'assurer que les organisations de producteurs ont accès à l'information technique là où se sont. Malheureusement, c'est là où le bas blesse. Vous savez qu'on n'a pas assez d'agents sur le terrain et malheureusement, les agents sont dans une situation de démotivation également parce qu'ils n'ont pas reçu les indemnités et primes qui sont promises depuis 4-5 ans. Et de l'autre côté également, il n'y a rien qui présage vraiment la mise à disposition des moyens nécessaires pour faire le tour de toutes les zones d'encadrement des agents. Et de l'autre côté aussi, il faut reconnaître qu'on n'a pas un dispositif d'appui conseil conséquent pour le Niger. Donc il y a beaucoup d'insuffisances qui sont relevées. C'est vrai que les engrais sont disponibles, mais vous savez, depuis les semences, il y a des ratés. Au niveau des engrais également, il y a souvent un jeu qui se fait avec des commerçants où les engrais qui sont censés être vendus subventionnés se retrouvent sur le marché à des coûts exorbitants et insupportables pour les producteurs. Bon, heureusement que du côté des ennemis des cultures, en tout cas, c'est bien géré. Il y a toujours des traitements qui sont gratuits pour les producteurs. Mandou on vous remercie. Merci. C'était là Manou Badier, secrétaire général du syndicat national des agents de l'agriculture, relativement à la mission de suivi et pré-évaluation de la campagne agro-silvo-pastorale entreprise par plusieurs membres du gouvernement qui sillonnent actuellement les huit régions du Niger. Nous poursuivons ce forum avec euh, la situation sociopolitique au Niger. Le MNCD Nassara de Seni Morou qui sort de son silence. Selon le président de la section MNCD Nassara de Maradi et vice-président du parti Ali Sabo, aujourd'hui, le, euh, Niger traverse une situation euh, très difficilement supportable insupportable pour les populations. Monsieur le vice-président du MNSD Nassara Ali Sabo, depuis la fin des élections, on n'entend plus le MNSD Nassara donner de la voix. Est-ce un calme avant la tempête Le MNSD ne connaîtra pas de tempête. Vous savez, euh, nous avons beaucoup de sagesse nous savons nous écouter. Et nous avons donné de la voix, puisque nous avons fait deux déclarations. Nous sommes peut-être euh, un des rares partis à faire des déclarations depuis les élections pour euh, prendre position sur certaines questions importantes du pays, notamment la question de DIFA, qui est une question essentielle, car c'est une partie de notre territoire qui est pratiquement perdue, qui se perd et une population qui se meurtrit et une des forces de défense aussi qu'on voudrait voir revitaliser avec des moyens pour pouvoir répondre au courage qu'elles ont parce que nous savons que nos forces de défense et de sécurité sont des forces patriotiques et qu'elles sont disponibles. Nous avons donc tout cela dans ces déclarations annoncées et demandé à ce que le pouvoir en prenne en charge. Donc nous ne nous tient pas silencieux. Le ramadan est venu, c'est pour cela qu'il y a une relative accalmie et je crois que bientôt notre président sera disponible pour que euh, nos activités reprennent. Vous venez de dire euh, accalmie. Beaucoup de Nigériens voient cette accalmie comme étant soit euh, une faiblesse ou bien soit une stratégie. Je ne saurais vous répondre parce que euh, nous n'avons pas à dire toujours ce dont nous pensons et que nous construisons. Car déjà, les agents du pouvoir, puisqu'ils en ont partout, euh, surveille notre moindre geste et nos moindres écrits pour pouvoir savoir si c'est une stratégie ou si c'est quoi. Toujours est-il dit que le silence, c'est du fait que la COPA a été dissoute ayant fini ses missions, nos différents responsables qui sont dans les institutions que nous avons dit de, refuser ont rejoint ces institutions, la CENI. Il y a des camarades de l'opposition du MNSD qui travaillent au sein de la CENI et qui essaient de faire en sorte qu'on n'ait plus de clairvoyance le temps que nous reprenons nos activités pour poser les actes qu'il faut poser pour des élections locales transparentes, justes et équitables qui ne répondent pas aux 92% que Issoufou s'est donné. Et ensuite, nous avons aussi nos parlementaires qui sont à l'Assemblée, qui travaillent euh, sérieusement à l'Assemblée, qui ont porté beaucoup de contributions et qui ont porté beaucoup de contradictions, qui sont posées comme opposition, qui ont refusé de voter certains textes, certaines lois. Et donc, euh, on ne peut pas dire qu'il y a une accalmie relative. Il y a une, plutôt une accalmie relative au niveau des partis politiques, mais au niveau des institutions, il y a quand même des activités qui sont faites et ce serait bon que la presse prenne cela en compte. Parce qu'on ne peut pas demander le beurre et l'argent du beurre aux partis politiques. Ali Sabo, depuis quelque temps, il y a des rumeurs qui courent à travers la ville de Niamey, comme quoi le MNSD va intégrer la majorité présidentielle. Que pensez-vous par rapport à cette situation Pas que ce que je pense, que ce que je sais. Je pense ce que je pense, je le dirai au niveau des organes et instances qui vont me demander poser le problème. Pour le moment, à ma connaissance, je ne connais pas ce problème, parce que euh, aucun pouvoir ne nous a demandé de l'intégrer. À ma connaissance, je n'ai pas eu cette information. Deuxièmement, nous avons des organes et des structures qui répondent à ces questions-là. Et c'est à travers elles que nous savons qu'il y a une question qui est officielle, non pas une question de rumeur qui est officiel et qu'on débat. Donc, comme je l'ai dit à un de vos confrères, ni la commission politique, ni le bureau politique, ni le Conseil national, ni le Congrès n'ont été informés, en tout cas à ma connaissance, de ces déshydratats, de cette, euh, même discuter de cette question. Non seulement nous n'avons pas été informés qu'il y a une requête d'ailleurs, mais deuxièmement, nous n'avons jamais discuté de cette question. Et troisièmement, je crois qu'il est bon que les Nigériens s'informent politiquement et connaissent nos textes. Quand un parti va à la mangeoire, quitte l'opposition pour le pouvoir, il y a une déclaration qui est faite par les députés. Au moins, vous de la presse, vous devez avoir ça à l'esprit, la vigilance de rappeler ça aux citoyens. Il est bon que la culture de nos citoyens soit plus ou moins, n'est-ce pas, au niveau pour éviter des rumeurs qui peuvent être des rumeurs préjudiciables à l'une ou à l'autre des partis. Ali Sabou, est-ce que le MNSD peut se à la majorité je ne saurais vous le dire. Et je n'ai pas, je vous ai dit que je n'ai pas eu de lettres, je n'ai pas eu de requêtes, je, je n'ai pas discuté de cette question. Donc, c'est que si vous avez des gens qui s'agitent, il peut en avoir. Et c'est légitime. Vous ne pouvez pas empêcher dans un ensemble que certains aient une position. Et il y en aura toujours. Et même quand il n'y a pas des situations comme ça, dans les débats, il y a toujours des divergences et qu'on arrive à des conclusions, puisque c'est toujours une majorité qui définit une ligne. Donc à ce niveau, moi je dis, la question n'étant pas posée, je ne vois pas en quoi je vais y répondre. Au niveau du MDC de Sarah, est-ce qu'il y a des responsables qui peuvent être tentés de rejoindre la majorité présidentielle Je crois qu'il serait bon, euh, si vous avez des rumeurs de non, allez les rencontrer et leur poser la question. Euh, je ne suis pas en mesure euh, de dénoncer X ou Y ou de connaître ce que X ou Y vont faire. Je n'ai ni la teneur, ni la couleur de leur cœur et de leur pensée et donc euh, je ne pourrais répondre à cette question. Alice Abou, vous êtes le vice-président du de Nassara. Comment se porte concrètement votre parti Vous savez, il y a plusieurs manières d'apprécier l'état d'un parti politique. Effectivement, au sortir des élections, nous pouvons dire que notre parti se porte mal du fait que nous sommes troisième alors qu'on a toujours été le premier parti. Ça, honnêtement, nous pouvons le dire. Mais à l'examen des résultats des élections et de la situation qui a été créée, nous pouvons toujours avoir le reconfort de dire que notre parti n'est pas le troisième parti et que le parti reste toujours le grand parti. Donc euh, voilà la situation telle qu'elle est. Et ensuite, au sortir de ces élections, nous avons constaté que l'unité de notre parti s'est renforcée. Notre président a visité toutes les structures, toutes les régions, les départements et il a vu comment la mobilisation était importante. Malgré le hold-up que vous avez connu, je dirais un hold-up, c'est vrai, ça n'est presque un au niveau des résultats des élections et législatives et présidentielles. Donc, je voudrais que pour le moment, je reste en tout cas très reconforté de l'association encore dans mon parti. Ce n'est pas une catastrophe, c'est un recul que nous avons connu qui n'est pas lié simplement à nos incapacités, au fait que le parti s'affaiblit, mais lié à des contingences extérieures qui se sont imposées à nous. Parce que vous le savez mieux que moi, les journalistes, parce que vous en parlez toujours, ce qu'était l'atmosphère des élections antérieures. La COPA a été dissoute. À la mise en place d'une structure pour l'opposition politique nigérienne ça, nous en discuterons. Nous en discuterons une fois que les partis vont faire leur entrée. Ils en discuteront, ils apprécieront où ils se situeront et comment ils vont réorganiser éventuellement une opposition. Ali Sabou, est-ce que cette dissolution de la COPA n'est pas un pain béni pour le régime en place Bon, il l'a exploité, comme c'est un pouvoir de communication sur mensonges et sur euh, rumeurs ça c'est vrai, et ils l'ont exploité. La COPA devait effectivement finir sa mission, parce qu'elle avait la mission réellement électorale. Donc, euh, bien que eux le sachent, bien que les citoyens le sachent, et on a créé effectivement une situation pour rendre inconfortable la dissolution de la COPA et le retour de nos camarades au niveau des différentes institutions qu'ils occupaient auparavant. donc ça aussi, je dis, c'est une limite politique au niveau de l'appréciation de l'opinion publique, n'est-ce pas, des réalités politiques. Parce qu'une décision politique n'est jamais permanente. Autant euh, un mensonge devient une vérité un jour et l'inverse. Donc euh, le pouvoir a voulu l'exploiter et tente de l'exploiter aujourd'hui. La preuve, il n'a fait qu'arrêter les militants du Lumana pour affaiblir le Lumana. Aujourd'hui, le MNCD, nous sommes pénétrés par des rumeurs. Donc, un sage, on essaie de diviser de l'intérieur en finançant peut-être même certains, on ne sait pas. Ils sont capables de tout. Ils peuvent diviser le père et la mère, ces gens-là. Donc, on en est là, c'est vrai. Et ils utilisent cette situation provisoire, effectivement, pour pouvoir l'exploiter à fond, affaiblir l'opposition parce que les 92% de Youssouf ne reflètent pas. C'est la réalité. Voilà un président qui a 92% eh, d'électeurs et qui est incapable d'accepter que l'opinion publique, que le peuple sorte le saluer quand il traverse la ville. Au contraire, on barricade les gens. On leur empêche même d'être sur le trottoir. Vous voyez la réalité de ce pays lui-même se barricade et comme un prisonnier djihadiste, c'est vrai, il est plus protégé qu'un prisonnier djihadiste. Et ça, c'est dangereux ça reflète quelque chose. Donc euh, voilà effectivement une situation, comme vous dites, qu'ils peuvent exploiter compte tenu justement du fait que la dissolution de la COPA s'est faite dans des conditions qui, sont réelles et qui sont politiquement normales, mais qu'eux ils exploitent à d'autres fins. Le vice-président du MNCD Nassara Ali Sabo, est-ce que les partis de l'opposition sont toujours soudés pour le moment, en tout cas, nous n'avons jamais appris que tel ou tel parti se sont fait une guerre. Nos militants se fréquentent et nos leaders se fréquentent. Donc, je ne vois vraiment pas en quoi les rumeurs qu'on peut dire de un tel n'aime pas un tel euh, peuvent être euh, aujourd'hui plausible. Tout comme je vous poserai, je poserai la question, est-ce que les 50 et quelques partis qui sont autour du président sont soudés Pour moi, du moment où ils sont ensemble, je sais qu'il y a des contradictions même au sein du PNDS. Mais tant que ça n'apparaît pas, pour moi, ce n'est pas un problème. Hamma Amadou est le chef de file de l'opposition, le président du Modène FA Lumana. Est-ce que le MNSD Nassara est toujours fidèle et loyal au président du Modène FA Lumana, Hamma Amadou Hama est chef de file de l'opposition. L'opposition, c'est un facteur considéré comme un facteur objectif. Donc tous les partis qui se trouveront à l'opposition, de toute façon, auront comme répondant Hama dans le rapport avec les institutions de la République. Maintenant, au niveau des groupes parlementaires, nous, au niveau de l'Assemblée, en tant que parti euh, groupe majoritaire, nous avons aussi nos prérogatives. Et les autres partis qui sont à l'Assemblée aussi ont leurs prérogatives. Ceux qui ne sont pas ont les leurs. Donc euh, le problème n'est pas une question de loyauté avec un tel ou un tel. Le problème est de savoir quels sont les intérêts qui nous lient, quel est l'adversaire essentiel et quelle est la finalité de notre lutte. Est-ce une lutte pour accéder au pouvoir dans le cadre d'un ensemble comme nous avons lutté déjà des années ou est-ce réellement aller manger pour deux jours, trois jours Vous savez, quand vous allez là-bas, c'est pour la destruction. Parce qu'aucun n'est allé là-bas pour rejaillir. Et ça se voit. Tous les partis qui sont autour, comment ils se divisent. Il y en a qui sont déjà deux, trois partis à partir d'un. Et d'autres autres, ça viendra. Donc euh, euh, voilà la réalité. Je crois que c'est des analyses comme ça qu'il faut faire. C'est vrai que le ventre souvent appelle. Mais ce que le ventre appelle, je crois que s'ils sont raisonnables, s'ils ont le respect pour ce pays, pour leur parti, c'est d'aller manger. Ils peuvent revenir demain personne n'est empêché. Nous avons connu ce problème avec Barré. Du temps de Barré, il nous est arrivé d'être en réunion de bureaux politiques à peine une vingtaine souvent 7 ou 8. Mais le parti a ressurgi et il est devenu le premier parti et il a pris le pouvoir après. Voyez-vous donc, euh, au lieu de créer des dissidences comme le PNDS veut, le Issoufou veut que le MNST soit cassé, que le Lumana soit cassé, que CDS, ils ont déjà cassé le CDS. Déjà aujourd'hui, on est sorti d'un parti, un parti moyen, un autre parti qui se crée. Mais enfin, autant partir, aider le parti à, continuer sa lutte, quitte à revenir demain. Pourquoi pas À Lisbonne, on vous remercie. C'est moi qui vous remercie. C'était là le président de la section de Nassara de Maradi et vice-président du MNS du parti Ali Sabou qui apprécie la situation socio-politique euh, du Niger. Un plan pour une meilleure gestion des déchets de la ville de Niamey, c'est ce qui ressort de la réunion qui s'est tenue lundi 25 juillet 2015, réunion convoquée par le président de la République Issifu Mahamadou et à laquelle ont participé le haut commissaire du projet Niamey Niala, Niamey la coquette et tous les ministres concernés. Explication avec Mahmoud Mokhtar, il est le haut commissaire du programme Niamey Niala au micro de la le président nous a convoqué, le commissariat Nyamenyala, avec tous les ministres concernés par le programme euh, Nyamenyala. Il ne s'agit pas essentiellement de la question des déchets. Il s'agit pour le président de faire un point sur l'état d'avancement du programme euh, Nyamenyala. Il y a eu beaucoup de réalisations, d'équipements, d'infrastructures. Le président a demandé qu'on lui fasse un point sur euh, vraiment toutes ces réalisations, les difficultés euh, rencontrées au cours de ces réalisations et dégager les solutions pour des meilleures perspectives dans la suite de l'acte 2 de son programme pour le Niger et plus particulièrement pour la ville de Niamey dans le cadre de Niamey-Niala. Quelles sont ces solutions en termes de perspective, euh, le président a instruit qu'on continue la dynamique euh, de l'aménagement, la dynamique euh, de réalisation des équipements, des infrastructures dans la ville de Niamey, mais il a singulièrement mis l'accent sur la gestion des déchets. Le président souhaiterait qu'on lui propose des solutions euh, durables. J'ai apporté un plan d'action d'urgence de lutte contre les déchets dans la ville de Niamey. Comment ce plan d'action, dès lors que le président fait le souhait de trouver une solution durable, j'ai très rapidement pris contact euh, avec euh, le maire central, avec euh, les cinq maires d'arrondissement. Avec chacun de ces maires, nous avons tourné dans les arrondissements pour voir de visu les problèmes de la ville de Niamey et réfléchir ensemble sur les solutions apportées. Pour cela, nous allons identifier trois catégories d'actions. Une première catégorie, c'est une action d'urgence, c'est-à-dire des problèmes que nous avons trouvé très percutant, c'est-à-dire euh, il faut leur trouver des solutions euh, urgemment. C'est ça qui explique euh, ce programme euh, d'urgence et cette première étape consiste à faire des nivellements, à réparer vraiment les voies impraticables dans la ville de Niamey, surtout en cette saison des pluies. La deuxième étape, c'est une opération coup de poing pour ramasser tous les grands tas de déchets dans la ville. Pour cela, nous allons faire appel à tous les moyens de l'État mais aussi nous ferons appel à l'implication et la solidarité de certaines sociétés, grandes sociétés de la place pour arriver au bout de ces gros tas de déchets. La troisième étape, euh, c'est la plus euh, importante, c'est la solution que nous proposons pour une gestion durable des déchets dans la ville. Il s'agit essentiellement de prendre la filière des déchets de bout en bout, c'est-à-dire de la production jusqu'au rejet, la production au niveau des ménages, en passant par la précollecte, la collecte jusqu'au transport au niveau de la décharge. Nous avons déjà identifié tous les maillons de la filière des déchets. Nous avons également identifié les acteurs au niveau de chaque maillon. La stratégie consiste à mobiliser tous ces acteurs pour voir dans quelle mesure nous pouvons faire de la valorisation des déchets, des tris des déchets. Parce que, il faut le noter, les déchets à Niamey, quand on regarde leurs caractéristiques, une très bonne partie, ce sont des éléments organiques. Une autre catégorie, c'est des déchets plastiques pour dire que la grande quantité de déchets est récupérable. On peut valoriser ces déchets. L'idée, c'est de développer cette activité qui existe déjà, qui est faite par des acteurs informels. Nous comptons approcher tous ces acteurs, voir comment les organiser, formaliser, les encadrer et les accompagner pour créer une vraie dynamique d'économie circulaire. Il s'agit de donner une autre vie des déchets. L'avantage de cette démarche, c'est que à la fin, on aura moins de déchets à jeter hors de la ville. Parce que ce qui coûte cher aujourd'hui à la ville de Niamey, c'est la quantité de déchets à transporter hors de la ville. Il y a une grande quantité, c'est tout à fait normal parce que la population de Niamey est nombreuse. Donc l'idée de ramasser tous ces déchets, les amener dehors, euh, ne paraît pas pertinente. Pourquoi C'est pour cela que nous comptons vraiment faire la promotion du tri et de la valorisation des déchets avant de les rejeter à la décharge. Monsieur Mokhtar, qui sont ces acteurs dans cette démarche. Les acteurs de cette démarche, un maillon par exemple, quand vous faites un tour à certains endroits où, il y a des tas de déchets, vous allez trouver des gens, par exemple, qui récupèrent les déchets plastiques et qui les revendent sur le marché. Voilà, ça c'est un exemple d'acteur qu'on peut encadrer. Un autre acteur, il faut le noter, et c'est très important, il y a pas mal de jeunes entrepreneurs au Niger qui ont monté des entreprises et qui ont la technique de transformer transformer des déchets plastiques en pavés. Je donne un exemple. Qui peut faire de ces déchets des sacs. Je pense que tout ça, ce sont des entreprises qu'il faut euh, identifier, qu'il faut encourager. Cela a l'avantage de créer de l'emploi. Et je pense que la création de l'emploi, la lutte contre le chômage est une préoccupation majeure pour le président de la République. Et c'est ce que nous allons essayer de faire. Qu'en est-il de la population dans ces actions La population sera vraiment l'acteur, l'acteur principal. Comment par exemple, la valorisation des déchets organiques. Nous comptons mobiliser les groupements de femmes à travers des cultures de maraîchage et qui vont se servir, par exemple, de cette valorisation des déchets organiques pour faire du maraîchage. Ça, c'est un exemple. Il y a, nous avons pris contact, par exemple, avec les jeunes scouts, les organisations de jeunes qui peuvent s'investir dans la précollecte. Et les ménages ont la capacité, ça se pratique déjà, les ménages paient souvent 1000 euh, francs, 2000 francs pour que des jeunes euh, procèdent au ramassage des ordures. Tout ça, nous allons l'organiser et ce serait quand même euh, une activité qui peut être très intéressante pour vraiment les associations, les groupements de jeunes dans la ville de Niamey. Quand comptez-vous commencer ces actions Le président de la République a validé le plan d'action. Cette semaine, en collaboration avec la ville de Niamey, nous comptons lancer ces opérations de nivellement de voies, de rechargement de et de ramassage des déchets à certains endroits stratégiques de la ville de Niamey. Cette opération va commencer cette semaine, Inch'Allah. Cette opération, elle concerne aussi les caniveaux Effectivement, ça concerne les caniveaux, notamment en termes euh, de curage. Nous avons euh, remarqué dans la commune 3, euh, surtout la commune 3 est très sérieusement touchée par cette problématique. Il y a aussi des caniveaux dans la commune 5. Là, nous les avons inscrits vraiment dans ce programme d'urgence. Nous comptons, dans un premier temps, faire du curage, qui n'est pas une solution définitive. C'est une solution qui permet de dépanner, de soulager les populations, mais nous allons vraiment étudier ce problème de près pour l'affronter de manière assez efficace. C'était la Mamoudou Mokhtar, haut-commissaire euh, du, programme Nyamenyala, relativement à un plan pour une meilleure gestion des déchets dans la ville de Niamey. L'ex-combattant Toubou Barka Wardougou est décédé mardi des suites d'une longue maladie. Il est décédé aux Émirats arabes unis où il suivait des soins. Barka Wardougou fut l'un des membres clés du mouvement armé Toubou dénommé Farsa Forces armées révolutionnaires du Sahara dans les années 90 au Niger. La disparition du Barka Wardougou, une perte pas seulement pour la communauté Toubou, euh, selon Elie Bossouma, ex-combattant et camarade de front de Wardougou. Il est interrogé par Alassane Kouzi Mahamadou. L'homme, euh, tout homme est un prisme. Il n'a pas qu'une seule facette, il a mille facettes. Peut-être ce qui intéresse ton auditoire, c'est les, Nigériens, c'est ça. Donc euh, les Nigériens ne connaissent pas Barco Wardougou, ils ne le connaissent qu'à travers la rébellion, car euh, à travers la rébellion, la résistance armée. D'abord, c'est un Nigérien d'origine. Il est né au Niger, son père aussi sa mère aussi. Dans quelle contrée C'est euh, d'abord des Toubou, de Toubou Teda, de la région du, du Donc, euh, et euh, un peu tôt, comme la population de la Libye et la population du, nord Niger, là. donc la région d'Agadez, la zone de Bilma, la zone du Djado, c'est des zones frontalières, sur les zones frontalières. Donc, ce qui fait que, à un moment donné, les populations donc, ont toujours, hein, depuis de longues décennies, donc ont toujours fait le mouvement d'aller-retour. Et donc il y a euh, des populations qui sont là-bas, elles sont parentées. Donc Barca, c'est sous cette influence avec sa famille, à un moment donné, ils ont bougé. Ils ont bougé, mais parce que aussi, c'est à cause de la résistance justement. C'est pas Barca n'est pas un, tout ordinaire. Barca n'est pas un tubo ordinaire pour plusieurs raisons. Parce qu'en fait, sa famille, ses grands-parents, ses oncles maternels et jusqu'à lui et son père, c'est des gens qui, toute sa famille a toujours résisté depuis la colonisation depuis 1906, c'est une famille qui s'est caractérisée par la résistance contre la colonisation, l'imposture et les injustices contre le tout. Donc vraiment, c'est fille d'abord son grand-père. Depuis 1906, Atman Koloimi, de 1906, il est mort en 1986 à Modursa, en Libye. Donc lui, il a résisté toute sa vie contre les colons et une résistance armée. À partir de 1926, c'est son oncle maternel, Wardougou Atman. Donc son grand-père, c'est Atman Koloimi. Donc Wardougou Atman, Wardougou, c'est son oncle maternel. C'est le frère à, son, à sa mère. Donc celui-là aussi, de 1926, en 1956. Il n'a fait que la résistance, il a été tué effectivement par l'armée, par les Goumi à l'époque. Euh, donc, euh, et lui aussi, il est rentré effectivement dans ce feuilleton familial de la résistance à partir des années 80. Vous savez, à un moment donné, Barka, c'était un jeune homme qui venait ici avec toute sa famille. Il faisait le commerce des cigarettes, des Marlboro et consorts. Mais à un moment donné, il y a eu des impostures qui se sont passées à partir de Durkou. Donc, euh, il faisait le transport et ils avaient des femmes à transporter, des femmes Toubou comme des femmes, euh, des hommes, à transporter en Libye. Donc, à partir de Durkou, une nuit, ils étaient de passage, on les a stoppés, on leur a dit d'attendre vers Madama. On les attend de ne pas passer là. Donc, on les a forcés à passer la nuit. Bon, je crois qu'il y a un problème de libido. Parce que vous savez, la plupart du temps, les militaires qui sont là-bas, ils restent trois mois, six mois, ils ne voient pas des femmes. Et ils ont vu une cargaison de femmes qui passe à Libye. Et certains qui sont un peu indélicats ont profité dans la nuit pour pouvoir tenter de violer des femmes ou courir des femmes. Alors que déjà, les camps des gens qui voyagent, il y a un camp de femmes de côté, les hommes d'un côté. Et donc dans la nuit, donc il y a un imposteur qui est venu. Et puis finalement, il y a eu du bruit, les gens se sont rués, ils ont bastonné. Ils savaient que c'est un militaire. Et donc à la fin, euh, quand le matin les gens ont remarqué que vraiment leur ami a été molesté, donc ils sont tombés, ils ont fait des bavures. Vous savez, c'est à l'époque la raison pour laquelle Barka est rentré en rébellion. Et c'est lui qui a organisé l'attaque de Durkou. C'est parti de là, c'est ça l'histoire Toute l'histoire de l'implication de Barca dans la résistance actuelle, c'est à partir effectivement de ce forfait, hein, de ces actes arbitraires qui ont été posés à partir de Madama donc aux populations Toubou, aux femmes Toubou et à des pauvres gens qui passaient de la Libye, euh, du Niger, qui allaient couramment vers la Libye, aller faire des années, voir leurs parents et puis revenir. Donc c'est à partir de ça que Barca est rentré dans la résistance. Depuis sa résistance a duré combien de temps et les motivations, est-ce que entre-temps ont, changé non, ça a changé. Tu sais, les choses ont évolué. Il y a eu des négociations à un moment donné. Vous savez, il, était, faisait partie des FLA. Donc il était avec les Recebola, il faisait partie des FLA. C'est quoi les FLA Les FLA font de résistance euh, front de libération de l'Aïr et de l'Azawak. Donc à partir de 95, il y avait eu des négociations. Donc les négociations devraient se faire à Ouaga. Donc à l'occasion de ces négociations, les responsables de FLA ont abandonné Barca à Agadez pour partir. Et Barca est resté. C'est à cette occasion qu'effectivement, moi aussi j'ai eu à le connaître. Donc euh, c'était d'abord un parent, mais euh, on a aussi des liens d'alliance. mais c'est à partir de ce moment que je l'ai très bien connu. Et donc on a fait une rencontre, on est parti dans, dans la brousse là, vers le Tamgak. Et nous avons créé l'ACRA, justement, dans la coordination de la résistance armée avec Manu Dayak et consorts. Donc, c'est à cette occasion, effectivement, que les FARS ont été créées. Moi, je suis membre fondateur des FARC, qui est le front de donc Front de libération du Sahara qui est euh, donc, euh, le front euh, que commande effectivement Barka donc c'est à cette occasion que vraiment les choses ont commencé et puis finalement jusqu'à ce que donc euh, il y a eu la paix à partir de 1996, il y a eu euh, donc euh, la paix et puis finalement les choses se sont passées. Et depuis il a quitté le Niger. Depuis Barka a quitté, même Barka c'est un responsable, c'est un responsable militaire, c'est un responsable de la région de Mourzouk, c'est le commandant en chef donc des officiers tout bout de la région de Mourzouk. Donc c'est le commandant en chef de là-bas. Région de Mourzouk au Non, non, au sud de la Libye, au sud de la Libye, la zone Toubou. Donc c'est là. Donc jusqu'au conflit, dans le conflit euh, entre Toubou et Arabe, c'est quelqu'un qui est irremplaçable. C'est quelqu'un qui a défendu la cause Toubou. Et puis c'est quelqu'un que les Toubou vont durer avant d'avoir quelqu'un comme lui. Quel est le souvenir que vous gardez de lui présent dans votre esprit Je garde le souvenir d'un homme euh, intègre, affable, euh, quelqu'un qui est modeste, euh, mais très engagé quand il s'agit de la cause de Toubou. Et puis, je trouve que c'est quelqu'un d'irremplaçable. De toute façon, il est irremplaçable. Son décès est une perte pour la communauté Toubou, vous pensez oh, je pense que ce n'est pas seulement pour la communauté Toubou. Je crois que pour tous les pays, c'est une perte. Pourquoi Parce que c'est le levier sur lequel normalement les États devraient prendre pied pour pouvoir résoudre toute la question de l'instabilité de nos régions dans le sud libyen ou dans le, dans le nord du Niger. Des questions liées effectivement à l'instabilité de la zone. On a perdu Barca, je pense qu'on a perdu un levier de taille, même pour les États qui sont sur le La Libye, le Niger, le Tchad et toutes ces régions. C'était là Eli Ibosoma, ex-combattant et camarade euh, de front de Barka Wardougou, euh, relativement donc euh, au décès de l'ex-combattant en Tobou. Dernier aspect de ce forum avec euh, de la malbouffe, euh, c'est-à-dire la consommation d'aliments en présentant un nombre important de calories, de gras, et de grasse et de sel euh, devient de plus en plus plus régulier ces dernières années. La malbouffe se situe-t-elle à tous les âges, chez toute catégorie de personnes Abdelazak Bello est chef de service santé nutrition à l'inspection régionale de Niamey. Il répond au micro de Ibrahim Gadou. Quand vous prenez un individu, il a des besoins ses besoins en vitamines, les besoins en sels minéraux, les besoins en protéines, glucides et, et, lipides. Un individu doit être normalement en situation d'équilibre. L'équilibre voudrait dire que l'individu consomme tous ces éléments que j'ai cités, c'est-à-dire les protéines, les glucides, les lipides, les vitamines et les sels minéraux, de façon à pouvoir couvrir ses besoins nutritionnels. Donc en ce moment-là, l'individu qui a des besoins et qui arrive à consommer des aliments qui permettent de satisfaire ses besoins nutritionnels. Donc cet individu est en situation d'équilibre. Alors la malbouffe va intervenir lorsque l'individu se retrouve dans une situation où ses besoins nutritionnels ne sont pas satisfaits. Quand je dis ses besoins nutritionnels ne sont pas satisfaits, ça veut dire que la quantité d'aliments que je consomme, elle peut être supérieure à mes besoins nutritionnels ou la quantité d'aliments que je consomme, ça peut être inférieur à mes besoins nutritionnels. Dans les deux cas, lorsqu'il y a une différence, n'est-ce pas, entre les besoins de l'individu et la quantité consommée, on est dans une situation de, malbouffe. Quelles sont les conséquences de la malbouffe Oui, les conséquences de la malbouffe, euh, vous en avez deux. Quand vous prenez le premier aspect, c'est-à-dire que quand vous avez une alimentation qui est supérieure à vos besoins nutritionnels, donc vous pouvez avoir plusieurs types de conséquences et les conséquences, ce sont notamment les maladies de, de surcharge. Les maladies de surcharge, vous avez l'obésité. Quand même, les statistiques montrent que de plus en plus, malheureusement, même dans les pays qui sont dits pauvres, vous avez cette situation d'obésité. Elle est très fréquente dans nos pays. En plus de l'obésité, vous avez quand même d'autres maladies qui sont liées à la malbouffe, c'est-à-dire vous avez le diabète, notamment le diabète de type 2, vous avez euh, l'hypertension liée à la consommation de, de sel et vous avez également d'autres maladies liées à la surcharge qu'on va retrouver, notamment quand vous prenez la, goutte qui va être en grande partie liée à une, surconsommation de viande rouge. Et vous avez également d'autres pathologies qu'on rencontre également qui sont de plus en plus fréquentes. C'est les maladies liées à un taux de cholestérol élevé et là également qui est lié à une surconsommation de graisses, notamment les graisses animales. L'autre conséquence de la malbouffe, n'est-ce pas, qu'on va rencontrer, c'est lié au fait que l'alimentation va être inférieure aux besoins nutritionnels. Les principales conséquences de cette malbouffe, ça va être une diminution notamment du poids avec les différents types de malnutrition qu'on va rencontrer dans le contexte nigérien. C'est-à-dire que ça peut se manifester par une situation de goitre ça peut se manifester par une situation d'anémie, ça peut se manifester par un retard de croissance, ça peut se manifester également par un déficit de poids, ça peut également se manifester par une situation de carence en vitamine A qui va affecter notamment les organes comme les organes de la vision. Les personnes qui sont en excès de poids sont en situation de malbouffe Effectivement, quand on parle de malbouffe, les personnes qui sont en excès de poids sont également dans une situation de, malbouffe. C'est une sorte de quand même de problème de nutrition. C'est la porte d'entrée de l'obésité. Et ceux qui ne sont pas en excès de poids Oui, les personnes qui ont un déficit de poids également, ça veut dire que ça va se manifester par des maigreurs, notamment avec un poids qui va être inférieur à la taille. Ça peut se voir chez les enfants, mais ça peut également se voir chez les adultes. Donc, vous avez le poids va être inférieur à la taille. Donc, c'est ce qu'on appelle communément la maigreur. Dans certains documents, on parle également d'émaciation pour parler justement de ce déficit de poids-là, notamment par rapport à la taille. Donc, dans l'un ou l'autre cas, c'est lié au fait que notre alimentation n'est pas en adéquation avec nos besoins nutritionnels. Dans le premier cas, vous avez une de poids. Et dans le second cas, vous avez l'alimentation qui ne couvre pas nos besoins. Dans, dans ce cas-là, vous avez la sous-nutrition. À vous entendre parler, presque tous les Nigériens donc sont en malbouffe ou quoi Quand on prend du point de vue maigre, vous avez quand même euh, le taux de personnes qui sont en situation de surnutrition, c'est-à-dire qui sont en excès de poids. Donc, euh, des études ont montré quand même que ça, prend de l'ampleur et ça a pratiquement quadruplé en 10 ans. Ce qui fait qu'on a un, taux pour l'excès de poids, on a un taux de l'ordre de 10% à 15%, surtout chez les femmes. Et quand vous prenez l'autre situation, c'est-à-dire que lorsque la situation où vous avez les besoins qui ne sont pas en adéquation avec les apports que j'ai appelés la maigreur, là également, ça touche une proportion assez importante. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde est concerné par ce problème de nutrition parce que vous avez quand même près de la moitié des enfants qui ne sont pas touchés. Il y a quand même 50% des enfants qui sont touchés. Et quand vous prenez chez les adultes, quand même, vous avez aussi près de 50% qui ne sont pas touchés, que ce soit par la malnutrition par excès que j'ai appelé surnutrition ou la malnutrition par défaut qu'on appelait la carence. Qu'est-ce qui explique cela chez la femme Chez la femme, plusieurs éléments montrent que l'alimentation de la femme, surtout maintenant, est de plus en plus riche en certains nutriments. Ce qui fait que le Niger est classé dans les pays où ce qu'on appelle le double fardeau nutritionnel, c'est-à-dire que vous avez les problèmes liés aux excès et les problèmes liés aux carences. Donc la principale raison, c'est lié malheureusement à notre indiscipline alimentaire. Cette indiscipline alimentaire qu'on va remarquer de plus en plus chez les femmes, elle va se manifester par une surconsommation de graisse et la prise de graisse malheureusement va favoriser la prise de poids. On va également avoir également la consommation de sel en quantité importante et malheureusement aussi la consommation de sucre. En plus de ces déviations alimentaires qui font que l'individu va prendre du poids, il y a quand même des éléments qui font qu'on peut pouvoir maintenir ce poids-là. Et cet élément-là, c'est la pratique d'une activité physique, c'est la pratique de la marche. Et malheureusement aussi, c'est une habitude que nous sommes en train de perdre. Ici, il suffit de faire un tour. Quand vous êtes à pied, quand vous décidez de marcher, tout de suite, on va vous arrêter, on va vous dire, on vous dépose à côté parce que la marche est devenue synonyme de pas possibilité de prendre des moyens de déplacement. Alors que la marche, elle fait du bien à tous nos organismes, elle fait du bien au cœur, elle fait du bien au cerveau, elle fait du bien à l'appareil digestif. Donc, euh, on remarque de plus en plus que cette habitude de la marche-là, qui peut normalement nous permettre de maintenir notre poids plus ou moins constant, cette habitude de la marche est perdue. Mais il y a aussi des hommes qui sont en excès de poids. Qu'en est oui, les hommes qui sont en excès de poids également, ce sont les mêmes facteurs qui sont en cause. Monsieur Abdelrazak, des fois, la situation des personnes grosses ou maigres n'est-elle pas héréditaire quelque part eh Oui, il y a le facteur héréditaire lié aux excès de poids. Généralement, euh, le facteur héréditaire, pour faire une caricature, dans l'organisme, vous avez des chambres de stockage de graisse. Donc, euh, les chambres de stockage de graisse, notamment les tissus adipeux. Donc, le facteur héréditaire va intervenir plus ou moins comment Quand vous prenez deux individus, le premier individu va avoir, par exemple, la capacité d'une chambre de stockage d'un vélo. Le deuxième individu, sa capacité de stockage, on va dire que c'est par exemple la chambre d'un camion ou d'un gros porteur. C'était là Abdelrazak Bello, chef euh, service santé et nutrition à l'inspection régionale de Niamey. Il répondait par rapport aux conséquences de la malbouffe. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Merci à vous de l'avoir suivi et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou. Au revoir.